Totalement bonsoir muna muku fatan alheri cikin wannan shirin na matasa da studio kalangu ke sarrafa muku a kowane ƙarshen mako don ce numéro c'est l'amitié qui nous intéresse l'amitié telle qu'elle est vécue et exprimée de nos jours sai a ce wannan abokina ne ko ki ce waccan abikiya ta ce ko kuma wani jahin sai ka an ce maka abu ta tada da ta yanzu ba ɗaya bace amma taka wannan wai menene ma take nuyi qu'est-ce que l'amitié de nos jours comment elle s'exprime qui peut-on considérer comme son ami kauna ko aminci yana daga aka juna a duka D'ailleurs, le créateur Yves Saint Laurent disait de son vivant L'amour est le plus important dans la vie. Non, l'amitié est plus importante encore kai tun tasowar mu ma muna gamuwa da mutane wasu su bi hanyar su kamar ba a gamu ba wasu kuma abu ta ta hada mu har abu ta wannan kuma ta samu muhimmanci cikin rayuwar mu d'ailleurs depuis 2011 tous les 30 juillet l'organisation des Nations Unies célèbre la journée internationale de l'amitié ku bi mu sau da kafa cikin wannan hirar da muka dora a nan ga cibiyar studio kalangu na muka gaito a nan namu na fada na yau don mu yi hira bisa kan wannan maudu'in da ya hada mu a la fada vous savez nous avons notre musique tout le temps avec nous la rubrique rose sur la fada et la chronique de Mr. Oli. Top, c'est parti. Amitié de nos jours, ce qu'il faut savoir, c'est le thème qui nous réunit à la fada de ce samedi. Abokan Tamukuma, mon Sabiu Isaka, il est étudiant à l'école normale supérieure. Ça va Sabiu Ça va, vous allez bien Tu vas bien Ça va, Top, Mahamadou, elle est étudiante en droit. Ça va, Fadi Ça va, on est Tu vas bien Ça va très Super. bien, Nous avons avec nous Aïsata Ibrahim. Elle est assistante administrative. Ça va, Aïsata Ça va, tu vas bien Ça va, super. Sois la bienvenue sur cette émission. Nous avons Ramatourissa, notre amie de la FADA. Elle est étudiante en droit. Ça... Ravie de te revoir. Nous avons Saleh Hafsa. Elle est étudiante à l'UNES également. Ça va, Hafsa Tu vas bien et notre invité qui est avec nous aujourd'hui, c'est Bachir Moutari. Il est le président du parti politique RJC Niger Kimatasa. Ça va Ça va bien, madame. Tu vas bien, président madame, très bien. Voilà, on va direct à notre première question. Dans le monde ultra connecté dans lequel on vit, où tout le monde est sur Internet et tout, tu vraiment euh, c'est quoi l'amitié aujourd'hui euh, Et a? abin da za ni cewa a cikin wannan maudu'in le mm. vrai amitié c'est avoir quelqu'un que tu peux partager tout presque tout avec lui wanda ka da cewa in kana cikin wani mawayacin hali yana yana ba ta doni in yana tare da kai mm-hmm. wanda a samu eh, solution don ka on peut appeler ça comme un ami bancin wannan gaskiya ban gani ba abin da za a yi cewa abin da za a yi kira da abuta ok kenan sai dai wanda da yake tare da kai in kana cikin mawuyacin hali ba he cikin daɗi kaɗai ba dukkan su biyu na an ce daɗin da wuya eh. dukkan su biyu daɗi da wuya wanda ke tare da kai cikin daɗi da mhm, wuya mhm. shine da za a ci ma dai aboki aboki ba ok mhm. to fadi ke kuma a ganin kiwa lamici de nojo saro samal akuwa à kuwa alor quoi a mun san mon sens in ko na yi faransa hausa kenan <laughs> <laughs> uh-huh. Alors, Abta comment c'est une relation d'affinité ou d'affection qui réunit deux ou plusieurs personnes qui, qui voient souvent la vie de la même manière, qui, qui acceptent de se soutenir, de se supporter et ouais. une vie, normalement. C'est vraiment qu'il y a de ce qui est gagné, mm. qui rayuwa wanda eh. kama um, manufarsu iri mm. guda ce ta eh, rayuwa suna gane ma juna kuma suna son juna suna son juna tsakanin da Allah tana abta mm. wadda take sa a zaman mutunci da zaman amana eh, da hankuri da juna mm-hmm. diran normalement l'éternité ouais ça c'est pas censé s'arrêter oui c'est pas censé s'arrêter Aïsata oui, ma définition de l'amitié mm -hmm. rejoint un peu ce qu'elle vient de dire. Mm. Sauf que vous, vous avez demandé l'amitié de nos jours de nos jours, comment on peut la reconnaître De nos jours, je... c'est difficile de reconnaître un vrai ami déjà parce que je ne pense pas qu'on peut appeler ça de l'amitié. La, personne, elle est là quand tout va bien, quand tu as quelque chose à lui apporter, mais quand ça va pas, elle est plus là. Je ne pense pas que ça, c'est de l'amitié. C'est plutôt de partage d'intérêt, si je peux le dire. Bon. Oh, oui, de partage mhm. d'intérêts. Mhm. D'accord ne aminci a cikin da kullum? Selon moi, l'importance, elle n'est pas à décrire franchement parce qu'elle est grande. Parce qu'il y a des situations qui se présentent à nous qu'on ne peut pas vraiment expliquer à la famille. On n'a pas le courage et ni cette détermination, mais à une vraie amie ou un vrai ami, on peut, on peut expliquer, on peut dévoiler et que la personne peut envoyer sa contribution, essayer d'aider. Même souvent, on voit des amis. En tout cas, moi, j'ai une petite expérience. Uh-huh. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis une fille plus ou moins d'un âge. Uh-huh. Et maintenant, moi, mon ami, c'est un garçon. On a fait le premier ensemble. Et lui, son, son père, c'est un pasteur. Du coup, au début, on n'a jamais cru qu'on serait amis, vu euh, nos comment appartenances mm, religieuses. Voilà. Mm-hmm. Et je vous assure, jusqu'à là, je suis au Niger, ça fait maintenant 9-10 ans. Jusqu'à là, on correspond. Jusqu'à là, quand ça ne va pas, on s'explique, on dit un tel, voilà, voilà. Et il y a tout le temps de solutions. Donc, et la camarade là qui dit ami sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas confiance en ça. Parce qu'on que on a vu des cas, par exemple, les, surtout sur TikTok. Ces derniers temps, ce qui est en tendance. On va même bien s'élargir sur la question là, un peu plus loin, <laughs> parce qu'on a une question spécialement justement sur ces amitiés virtuelles et tout. Mais vraiment, merci pour euh, cette ouverture, ce partage d'expérience qui va certainement nous montrer qu'il y a de belles amitiés, il y a encore de belles rencontres, ça existe encore je vais aller plus loin, je vais venir vers toi, euh, C'est selon vous, c'est quoi un ami Est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut appeler tout le monde ami, Voilà. Un, copain ou euh, je sais pas euh, quelqu'un avec qui tu papotes au boulot. Est-ce que on peut appeler tout le monde un ami ou un ami là c'est un grade C'est le moi un vrai ami, c'est surtout c'est lui qui ne va jamais t'abandonner, quelles qu'en soient les situations. Peu importe euh, la façon dont tu vas dériver, il sera toujours là pour te recadrer, pour te raisonner, pour te soutenir, t'aider à avancer dans la vie. Et moi, euh, pratiquement, les amis, j'en faisais pas trop. Hein. Mais les quelques-uns que. Mais j'ai plus confiance surtout aux amis hommes. Parce que à l'heure où <laughs> je vous parle, j'ai un ami. Ah oui? Oui, oui, c'est. Parce que celui-là que hein? j'ai expliqué, c'est un homme. Aux amis filles. ok. Oui, en fait, euh, c'est une expérience parce que j'ai eu des amis filles. Et lui, il est seul ami garçon que j'ai eu. Et jusque-là, on continue à correspondre. Il est d'ailleurs le seul euh, avec qui je confie tout. Tant que, même si c'est un nouveau copain que j'ai, <laughs> c'est lui, ah, je, Voilà, je prends des conseils auprès de lui, je lui demande un tel, voilà, voilà, qu'est-ce que tu en penses Ok, mais là, ça fait déjà deux filles qui ont des meilleurs amis. Et puis, on, entend souvent dire que ah, ah, ah c'est pas, possible et tout. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je me dis c'est faux parce que moi, je connais, il s'appelle Daniel, je peux. Uh-huh. Je connais la copine de Daniel et je sais qu'ils sont vraiment fous amoureux. Et c'est vrai, ils ne. Et si Daniel n'avait pas de copine et toi tu n'avais pas de copain, votre amitié là allait, pas on, on sa nature. précisément en termes de les, les, les, les, camarades de classe croyaient ça qu'on mm. Parce que il arrive qu'il vienne chez moi, qu'on mange ensemble, il arrive que je parte chez lui. C'est, en fait, sincèrement, moi, sincèrement, ça a toujours été juste voilà, de, de mon côté, j'ai jamais... Parce qu'il est devenu comme un frère pour moi. Je n'ai jamais imaginé un truc euh, de relation, voilà, d'amour avec lui. Ah, Donc, euh, Damagana. Mm-hmm. bisa kan bayani da ta yi cewa yau ana iya soyayya tsakanin eh, ana iya abutaka tsakanin mace da namiji wisevri eh. ana iya abutaka amma zuwa gaba tana iya zama soyayya ko kuma zuwa gaba eh, abutakar tana iya watsewa ta bisa kan wani fanni da dama kamar alal misali na kishi na mata tunda yau bai wa a ce yana abokinki kuma ke ga yana correspond da wata yarinya ko kuma yana yaba wata yarinya don kowane abin zai ɗaya miki ciwo kaɗan kaɗan dai abu ya kai ku ga soyayya don ku vraiment ni ina iya cewa soyayya eh, bai yiwuwa a ce akwai abu ta tsakanin mutane da namiji in har ba soyayya ba ce vraiment sosai ne no in ma akwai tana iya zama soyayya wata rana amma kuma akwai tana soyayya yawa abokina abokina na yi bata contradictory parce que ni nayi abu taka da abokiyata talakwal tun muna college Elle s'appelle Biba maintenant. Elle est actuellement mariée avec deux enfants. Son mari, c'est moi qui l'avais proposé. Elle a deux copains. En fait, elle m'a dit Sabiu, entre a Kagani, Yanzu su kwance su biyu kuma presque komai muna Mais Elle eh, a kuma babu Parce que si ma kankan na samu ka ni. ko kuwa ce da babana da ya ake ni mhm. babana Allah ji karar musulmi tun da san ka Allah ya amshi ran shi mhm. tun lokacin nan abokin shi na kutu da kut shi badam gari ne babana ba maraɗi ne mm. shi ya ɗauki duka ɗawainiyar gidanmu tun daga rasu babanmu har zuwa ila yau wani mu kuma furo an fi da ta mu goma ne ga omu wani karatu wani abinci wani duka shi ne vpl a maitin menajer Oui, eh, Ouais, justement, justement j'en venais. Et on, le lit souvent. Là, c'est un témoignage très poignant que tu as donné d'une amitié, d'une belle amitié qui dure même après la mort. Bon, merci en tout cas pour c'est vraiment beau, euh, très beau témoignage euh, qui nous prouve que l'amitié et euh, de, de, belles rencontres. Euh, c'est encore possible, mais euh, les amitiés basées sur l'intérêt, <laughs> ça encore, c'est encore plus possible. <laughs> Beaucoup, voilà. Donc, avant de poursuivre ce débat super intéressant avec nos amis, on va écouter la rubrique rose de la FADA et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique rose. Ce soir, dans l'espace santé et bien-être, on trouve des alternatives aux produits défrisants chimiques. Dans l'espace entretien décoration intérieure, on chuchote nos fringues. Enfin, en cuisine, on continue de chercher des alternatives au pain dont le prix a encore grimpé. Bonsoir amis jeunes, merci de rester fidèles sur cette rubrique rose de la Fada du studio Kalangu. Ce samedi, comme promis, je vous propose des astuces naturelles et des conseils pour éviter au maximum l'utilisation de certains produits chimiques cancérigènes au quotidien. Pour les amatrices des défrisants, cette pratique tend à disparaître avec le mouvement Napi apparu il y a quelques années qui consiste à garder ses cheveux frisés au naturel. Vous verrez que quand vous embrassez cette tendance, vous allez retrouver la beauté de vos cheveux naturels, mais il faut bien sûr les entretenir avec des produits adaptés pour leur apporter douceur et brillance. Voici une liste d'huiles que vous pourrez incorporer dans votre routine pour avoir le résultat voulu. L'huile de coco apporte volume et souplesse aux cheveux fins. L'huile de jojoba rééquilibre le cuir chevelu et répare les pointes abîmées. L'huile de Nigel régule la production du sébum et assainit le cuir chevelu. L'huile d'amande douce apaise les démangeaisons et réduit le risque d'irritation. L'huile de ricin favorise la pousse des cheveux. L'huile d'avocat apporte de la brillance aux cheveux ternes et cassants. Si vous avez des cheveux rebelles rugueux, optez pour des masques, huile et beurre adoucissants. Pour cela, le beurre de karité reste votre meilleur allié pour vos masques et bains d'huile. Les masques permettent de nourrir les cheveux en profondeur et de leur apporter toute hydratation dont ils ont besoin, ce qui redonnera de l'éclat à votre chevelure terne et abîmée. Coucou les filles, aujourd'hui de l'espace entretien et décoration d'intérieur, nous allons parler des vêtements. Entretenir ses vêtements, prendre soin de ses vêtements et de les faire durer, c'est tout un art. Nos vêtements, c'est carrément notre seconde peau. Il est important d'entretenir leurs éclats, de les garder en bon état, propre et pourquoi pas parfumé. Il est bien évident que vous aurez toujours envie de vous débarrasser d'un vêtement bien que qualitatif à l'origine qui se retrouvent boulochés, jaunis, tachés, délavés, isés, déformés, glissateurs. Votre allure en dépend. Nous avons pour vous ce soir quelques gestes à faire pour chuchoter nos fringues. 1. Lavez vos vêtements le moins souvent possible. Plus vous les lavez, plus vous les abîmez. 2. Attendez que votre déodorant soit sec sous vos aisselles avant de vous habiller. 3. Adoptez le gommage hebdomadaire du cou pour limiter les cols jaunis. 4. Évitez les auréoles sur les bras. Voilà de quoi tuer l'élégance. En plus, l'acidité de la cire abîme les fibres et incruste fortement la tache sans parler de mauvaise odeur. Optez pour une peau sans poils sous les aisselles. Les poils ne sont pas la cause de la transpiration, mais ils retiennent l'humidité. Ils peuvent favoriser le développement des bactéries. Merci bien, Mariam. Là, on a plein d'astuces pour chouchouter nos fringues. On passe maintenant à la cuisine. Amis jeunes, je vous propose aujourd'hui des beignets de pommes de terre. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de pommes de terre, un œuf, une louche de farine de blé, 30 g d'emmental. Le fromage est vraiment facultatif. Vous pouvez également choisir un autre fromage en dehors de l'emmental, euh, du cheddar par exemple. Vous aurez besoin de l'huile, pour la friture, du sel, du poivre, céleri et persil haché. Première étape, épluchez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau salée pendant environ 25 minutes. Égouttez-les et réduisez-les en purée. Laissez tiédir. La deuxième étape consiste à placer la purée dans un saladier, mélanger avec la farine, l'emmental râpé, l'œuf, salé, poivré et ajouter le mélange de persil et céleri. Ensuite, faites chauffer l'huile de friture dans une casserole profonde. Prélevez des petites portions de pâte et roulez-les en boule. Plongez-les dans l'huile bien chaude et laissez cuire jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés. Servez avec une petite sauce tomate que vous pouvez faire vous-même facilement à la maison. Très bon appétit, c'est tout pour euh, la rubrique de ce samedi, mi-jeune. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. But you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green. fada aujourd'hui installé au siège même du studio Kalangu. yo muna nan hira basa kan aminci a wannan zamanin da muke ciki abu ta akwai ta ta gaske ana samun ta kaka ake iya gano ta wane ne na wane ne kuma baka iya kira aboki shi yasa yau muka tattaro abukan namu na fada yau mu hiran wannan tare da su muna tare da Sabiu Isa Isaka, il est étudiant euh, à l'école normale supérieure. Nous avons avec nous Fadima euh, Mahamadou, elle est étudiante en droit. Aïsata Ibrahim, elle est assistante administrative. Ramatourissa, étudiante en droit également. Saleh Hafsa, elle est étudiante à l'UNES. Bachir Moutari, il est le président du parti politique RJC Niger Kimatasa. Maintenant, on dit que c'est possible d'avoir des amis. Actuellement, Fadi, c'est possible, mais c'est très difficile parce que aujourd'hui tout est basé sur l'intérêt. Les gens sont des opportunistes, c'est que des matérialistes. Je suis vous, avez, vous l'avez dit tout à mm. l'heure, nous sommes de plus en plus dans un monde individualiste. Chacun pense qu'à sa tête. Donc, c'est pas évident que elle va perdurer. C'est le grand amour amical, pour être mm-hmm. précise. Mais d'un moment à un autre, ça peut basculer en haine et Et vous voyez Donc, on ne peut pas dire que ça peut. C'est comme avant. Vraiment, Parce qu'avant, il y avait. des histoires oui. d'amitié voilà, parce qu'avant, il, y avait, il y avait la loyauté, il y avait la sincérité dans la chose. Alors que maintenant, les gens se sont trop faux. Ouais, de moins en moins. En amitié, on parle de partage, de confiance. Aujourd'hui, peut-on vraiment tout partager et faire confiance à un ami euh, Aïsata, on peut vraiment tout partager Tout, c'est trop dire. Vraiment. <laughs> ok. <laughs> mais, euh, mais on, peut, on peut quand même partager beaucoup de choses avec son ami, son vrai ami. Et je, je, je, le dis, ça existe. Les vraies amitiés, ça existe. Parce que là, là j'ai l'impression que tout le monde pense que la, vraie amitié n'existe plus. Ça existe vraiment. C'est que c'est difficile de trouver. Ah. Et on peut partager tout. Enfin, pas tout. Tout, c'est trop vraiment. mais ana kwatantawa okay. ana kwatantawa mais est-ce qu'on peut avoir confiance dari bisa dari kan abokin shi eh ka euh, ba shi yarda ka amince da shi kamar yanzu in ya baka shawara um, ka dauke ta ka san da kawai mutum ne wanda ba ya saka ba muguwa hanya ko mutum ne wanda in ya kama maka abu ka san da ba wani ba zai cuta maka ba zai cuta maka ba est-ce que c'est possible c'est possible c'est vraiment possible kani da Allah yawa fadi mhm, Agir a ça elles a te conseiller yanna no mhm. quoi ils sont Il y en a, c'est ah, peux parler <laughs> oui tu peux en fait euh, je voulais vraiment me marier à son idée mhm. et puis les vrais amis c'est pas ceux-là qui te disent tout le temps voilà c'est bien c'est bien ouais c'est bien c'est bon c'est bien quand tu te dis une telle c'est pas bien même si vous allez discuter un <laughs> temps la personne va te dire la vérité et toi-même après tu vas faire une prise de conscience tu vas te dire ah ce que tel a dit, c'est vraiment vrai. Donc il faut que je change. C'est ça la vraie amitié, c'est pas vrai. président, amitié tu ne cherches uh -huh. pas là. Ouais. Eh yau idan magana abu donc idan euh, na dauko ta bisa kan misali dai kote ala musali am ka bata fuska mm-hmm. guda biyu. Bashir. Mm-hmm. Eh akwai abataka wada wadda take somawa ta taimakon juna akwai kuma wadda take somawa ta hasar da juna abu kai ne fa suna son juna sosai zaki ganin su kowane lokaci ana tare ana mm. hira tare ana komi tare amma kuma soyayya za ki ga bata kai ciki ba kamar eh, alal misali yanzu pas profond voilà c'est pas profond voilà très mm. bien donc yanzu kamar eh, par exemple alal misali yanzu eh, na ne ko kuma abokin karatu na ne sai muka zo muka kare karatu da shi na makaranta to shi sai riga ni samu aiki yanzu da ya samu aikin nan ni kuma ta dalilin ta ya za a yi shi ya samu aiki ni ban samu aiki abin nan sai ka gani ya dan zama mun wani kurshi cikin zuciya c'est vrai par face a fuska ina nuna musu cewa wai na ji daɗi kaza kaza kaza mai cikin zuciya sai gani c'est pas ça ouais et donc et, eh, et eh, donc voilà et eh, donc c'est comme ça c'est comme ça yau baka iya gane abokinka na kwarai duniya merci beaucoup duniya ta saki zaka ga mutuna nuna maka fuska ta samu alheri eh fara'a komai da komai musamman yanzu muka dauki misali irin ku mm. cikin ku mata mm-hmm. zaka gani in kun gan ku juna kuna runguma juna kuna ma juna kaza abubuwa iri iri me yau idan wata a cikin ku kawarta za ta yi dimki mai kyau ta sa sevre za ta ji dadi amma wala cikin zuciya ta bata ji dadi ba sevre wannan abubuwa ne da suke faruwa irin ku cikin ku mata on va on est en train de d'acheminer tout doucement vers la fin de cette émission française à Oussa mais kan mu ci gaba da wannan hira tare da ku on va euh, se détendre un peu en musique. Vous allez me proposer une musique qui vous parle. Je passe quoi comme musique De De Gonja. Et on se reprend juste après. nan mai zaki Ami da na zan mu dawo cikin wannan hira tamu na kuɗora a yau cibiyar eh, studio Kalangu. ga gamunan za mu zuwa ƙarshen wannan shirin namu sannu sannu mun kusa kawo ƙarshen shi amma dai za ni ba ku wasu 'yan tambayoyi kamar ban kwana da ku kwata-kwata abin da nake so in sani Justement, tout à l'heure, on avait commencé à effleurer ce sujet. a wannan lokacin où tout le monde est ultra connecté, kowa na buskan na'urar shi, kowa na buskan salular shi, bisa kan kafofin sada zumunta, est-ce qu'on peut vraiment compter sur une amitié virtuelle? Ko ka amitié sai dai wanda ka sani wanda kuka taso wuri guda ko unguwa ko wanda kuka gamu da shi a wani wuri wanda baka gani ba ma yana cikin kaman kana ganin hoton shi ko kana jin muryar shi a mm. sulla kana aice abokin ka ne Je vais venir vers toi, ma chérie. Parce que uh, actuellement, tout, presque tous les amis, la moitié euh, de, de, ce que j'ai comme amis, actuellement, je les ai eus sur le réseau. Je, et ça fait, j'ai une amie, ça fait, on va dire, depuis 2017 que je parle avec elle. On s'est jamais vu jusque-là. Elle n'est même pas en Afrique, genre. Ok. Mais on se parle. Tana da matsalolinta wance wani sai mu nuit blanche ina sauraron matsalolinta ina ba solution. Je lui dis fais ça, fais ci, elle fait ça marche, ça va. Quand ça va pas chez moi, elle est là. Et honnêtement, moi je crois, je crois fortement ah, à, à, à, ces, à, ces genres de oui. Moi, moi, moi, vraiment, ah, j'ai eu une amie. En fait, c'était, c'était un pays une d'enfance, mais on s'est perdu de vie. Mhm. Euh, en 2017, via un groupe WhatsApp, on s'est retrouvés et je pense que cette amie, elle a, elle a fait beaucoup de choses dans ma vie. Non. Tu non. Tu peux pas C'est des jumelles. C'est des jumelles. Si elles pouvaient m'écouter, j'allais leur dire merci. Genre, je, je me sens vraiment redevable envers elles. Ah, J'espère qu'elles peuvent t'écouter parce que tu vas partager le lien avec elles de mm. l'émission. On va t'envoyer puis tu vas leur envoyer. Uh-huh. C'est Hassana et Ousena, Elles sont des galmis. Et plusieurs autres amitiés. Tu peux compter sur une personne sans la connaître. Il suffit tout simplement d'être honnête. Tu as honnête. Donc tu peux vraiment réellement connaître quelqu'un. Échanger. Sur les réseaux et partager une belle histoire. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ok, ok vie-là, sincèrement. Uh-huh. Je sais pas, vous, si vous avez regardé une télé-réalité là, de MTV. C'est mm-hmm. quoi euh, C'est comment Fiche. Fausse identité. Mm. C'est une télé-réalité, c'est pas des montages. c'est en hankali c'est en hankali hankali to ana eh, ta ah, un sai Mm. Voilà. Je reviens à ma dernière question. président. Bachir, euh, à quoi il faut faire attention eh, yau idan za mu ɗauka alal misali cikin kashi 100 aka ɗauki kashi 30 a cikin da za a samu abin ta kware ko kuma ta gaskiya duka kashi 70 ƙarya ce me yasa na faɗa haka nan yau ta ya za a ce abokina ne zan taho in yi bayani ko kuma in gaya mashi duka sirrika na rayuwa amma ina tashi kamar na gaya wa duniya ta yaya za a yi in zo in tambayi abokina akan wata alfurma ya mun wani abu ko kuma ya bani jari ko kuma eh, ya taimaka mu a biskan wani al'amari na duniya amma ina gusawa sai in ji magana a bakin wance ta yaya za a yi a lokacin da nake cikin matsala nake cikin mahuyacin hali nake cikin masifa in zo gurin abokina in ce taimaka mana akan abu kaza sai na i da bayyana mishi duka sirrika na rayuwa kamar zai iya min abin amma kuma abin sai ya kasa daga baya kuma ya zama tusarta a duniya a ina kaunar ka amma kai cikin zuciyarka ba kauna ta kake ba ta yaya za a yi kana abokina ina abokinka matsaloli za su same ni maimakon ka zo il y a un président je ne sais pas c'est un président je pense arabe qui mhm. disait que genre il y a sa maman qui qui le conseillait sur les amitiés mais il a refusé un jour après une trahison il a conclu un truc il dit à chaque fois sa, ses prières c'est Dieu protège-moi de mes amis mes ennemis je m'en charge ouais ça y est. Protège-moi de l'ami, c'est celui qui de c'est celui qui a la latitude de te poignarder plus facilement. C'est. Bon, ça va. c'est un mot godiya Comment ma soeur a une experience de a chacun va se retrouver et chacun va essayer de faire attention ou de profiter de ces belles relations euh, Chronique amicales. Et on se dit officiellement au revoir. Chers auditrices et auditeurs, nous allons commencer notre week-end avec cette chronique de football et l'actualité de la Coupe du Monde nous impose un voyage au Qatar. Selon la Fédération internationale de football, les ballons que nous voyons dans les matchs de la compétition sont des ballons connectés. Inspiré des chroniques de Nena sur Facebook, je vous donne un peu plus d'infos sur les ballons utilisés lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. D'abord, ce sont des ballons branchés et chargés avant les matchs. Ce chargement est pour la batterie du capteur que contient le ballon. Selon le fabricant Adidas, des ballons connectés, la batterie peut durer 6 heures dans un cas d'utilisation active ou jusqu'à 18 jours sans activité. En termes de poids, le capteur pèse 14 grammes. Son utilité Il permet de suivre la balle en temps réel par des caméras positionnées autour du terrain pour aider les arbitres à déterminer les hors-jeux et autres décisions douteuses. Chaque fois que le ballon est touché, dirigé, lancé ou même tapé, le système le capte. La capacité du capteur est de 500 séquences par seconde, une forte capacité de prévision et de précision. Les données sont envoyées en temps réel à partir du capteur vers un système de positionnement local en abrégé LPS. Pour ce faire, une configuration d'antenne réseau installée autour du terrain du jeu recueille et stocke les données pour une utilisation immédiate. Enfin, Lorsqu'une balle est hors des limites pendant le jeu et qu'une nouvelle balle est lancée ou bottée pour la remplacer, le système back-end passe automatiquement à l'entrée des données de la nouvelle balle sans intervention humaine. Comme quoi, l'intelligence artificielle est aussi présente sur nos terrains de foot et dans nos balles. Inspiré des chroniques du Quatar de Nena, numéro 37 de cette chronique. En tout cas, cette chronique vous donne les prouesses technologiques de la compétition de foot Quata 2022. D'ici là, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle chronique et on parlera bien évidemment de la santé. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Merci bien, c'était la chronique de Mr. Oli. On va se revoir avec nos amis de la FADA. Ça et nous, on est vraiment amis. Hein. À la FADA, vraiment, c'est une amitié sincère. <laughs> Aujourd'hui, il était question de l'amitié. L'amitié, à quoi elle ressemble de nos jours Un monde individualiste, un monde ultra connecté. Est-ce qu'on a encore de belles rencontres Est-ce qu'on a encore de belles histoires d'amitié À quoi il faut faire attention Quand je kowane ana in an yi dariya tare a diba a gani in so na ƙasa ko ku dariya ce kaɗai sai mu ce a huta lahiya